nom du chef de l'État, j'ai présenté le service remerciements à la population de Guinée, la population haute de Guinée, qui a hébergé euh, ses ces familles pendant trois ans et sans aucun incident. Euh, j'ai présenté les félicitations et les remerciements du chef de l'État, euh, son Excellence Madame Mohamed, aux autorités locales, les maires, euh, le préfet de Walam et les chefs de canton principalement le chef de canton de Tondichouis, qui euh, depuis euh, plusieurs mois maintenant, je peux dire plusieurs années, de, euh, de, aucun effort est sur pour faire ramener la paix dans sa commune. J'ai présenté les remerciements et les félicitations du chef de l'État aux populations déplacées, celui lui et les autres villages qui sont ici, pour avoir patienté malgré tout ce qu'ils ont subi avant, donc ils ont patienté jusqu'à ce jour. J'ai aussi euh, rappelé la main tendue au chef l'État, à l'égard de nos frères euh, qui sont égarés et je leur ai expliqué pour pour cela, le chef de l'État a mis en place un politique dialogue politique euh, qui a pour objectif d'identifier d'abord les personnes impliquées chercher à connaître la motivation réelle et euh, se, euh, se limiter le dialogue politique euh,